le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio 18h15 partout au Niger et dans le studio Kalangou. Le programme se poursuit. Restez avec nous. Le forum du studio Kalangou, c'est tous les soirs du lundi au vendredi. Le forum du studio Kalangou, le rendez-vous des sujets qui vous préoccupent. Diallo Maria Makenda avec vous pour ces 40, 45 minutes à venir. Ce soir, nous parlerons du cancer ou plutôt des cancers à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer qui était célébrée samedi dernier Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le cancer constitue encore aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. Qu'est-ce que le cancer Combien de types de cancer existent-ils Peut-on guérir du cancer Le traitement du cancer est-il accessible aux malades dans notre pays Les enfants sont-ils aussi concernés par cette maladie Éléments de réponse tout de suite dans ce forum. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue. Sachez que pour débattre de ce sujet, je suis en compagnie euh, de trois invités du docteur Dile Ismouya, cancérologue présidente de SOS Cancer. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Et merci euh, d'être venu au studio Kalangou. Euh, du docteur Labo Saadatou au pédiatre cancérologue responsable de l'unité de cancérologie pédiatrique à l'hôpital national. Euh, bonsoir, docteur. Bonsoir. Et la troisième invitée, c'est Madame Abba Rahanatou, vice-présidente de SOS Cancer. Elle intervient, je vous le signale, en guise de témoin car elle a été victime euh, du cancer. Merci à tous d'être venus. Et nous allons sans plus tarder euh, aller aborder le vide du sujet et la définition docteur avec vous, docteur Dillet. C'est quoi le cancer? je suis le docteur Dile Isimouha, donc chirurgien oncologue également à l'hôpital national de Niamey. Le cancer, c'est une maladie de la cellule. Les cellules, le corps humain est constitué de plusieurs milliards de cellules. Ce qui se passe, c'est qu'un jour, une cellule échappe au mécanisme de régulation de l'organisme, parce que l'organisme est constitué de plusieurs milliards de cellules, mais les cellules sont organisées chaque cellule est organisée. Par exemple, pour respirer, on a des cellules qui sont organisées, qui sont faites pour faire pour la respiration. Donc un jour, par exemple, une cellule qui travaille pour l'appareil respiratoire va échapper au mécanisme de régulation de cet appareil et se développer pour son propre compte. C'est comme une cellule qui est rebelle. Elle se développe pour son propre compte et elle, fait, elle se multiplie de manière désordonnée, de manière anarchique comme on dit, et va former ce qu'on appelle une tumeur. Un ensemble de cellules, des millions de cellules qui vont se mettre entre elles de manière désorganisée pour créer une tumeur. Une tumeur, c'est la boule dont on parle au moment du cancer. Et donc, cette boule-là vient coloniser l'organe dans lequel elle se trouve. Et quand elle le colonise, elle l'empêche de fonctionner normalement. Et à la longue, ce qui fait le danger de la maladie du cancer, c'est qu'elle va envoyer des petites cellules dans le sang et ces cellules vont aller coloniser d'autres organes. Elle naît dans un organe, cette cellule cancéreuse, pour former une tumeur, donc cet amas de cellules, ce groupement de cellules. Puis elle se propage par le sang dans d'autres organes pour former ce qu'on appelle des tumeurs, et, on appelle ça des métastases. Donc, c'est ça le cancer, en fait, comment ça se passe. Docteur, alors, est-ce que euh, c'est valable pour le Niger euh, Selon l'OMS, euh, donc, cette maladie, le cancer est la première cause de mortalité dans le monde. Est-ce est valable pour notre pays en fait, ici, la première cause de, de, mortalité, ça va peut-être la mortalité infantile, maternelle infantile, c'est ça. C'est plutôt les enfants. La pédiatre, elle nous le dira plus que moi. Les enfants en bas âge. Mais c'est une des principales causes également de consultation. Nous, on le dit à l'hôpital, en chirurgie surtout, c'est le cancer. Donc, elle fait partie également d'une des causes de mortalité, mais pas les principales en Afrique au Niger euh, Docteur Dulé, je poursuis avec vous. Selon la définition du cancer que vous venez de donner, on s'imagine qu'il y a plusieurs types de, de cancers. Alors, quels sont les différents types de cancers Le cancer peut toucher tous les organes, des cheveux à la peau, aux ongles, tous les organes, le sein, le foie, le cerveau, tous les organes, l'os peuvent être touchés par le cancer. Donc, il y a des centaines de types de cancers. Ça, c'est une chose. Mais il y en a qu'on peut prévenir et d'autres non. Alors, la différence. Alors, un exemple de cancer qu'on ne peut pas prévenir parce que c'est ça qui fait plus peur. Ce qu'on ne peut pas <laughs> prévenir. oui. La majorité. Ah. Malheureusement, la majorité. Mais il y a des cancers qui sont les plus fréquents. Les plus fréquents, par exemple, au Niger, c'est les cancers de la femme, notamment le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. C'est les plus fréquents. Mais la majorité des cas, les cancers, on ne peut pas réellement les prévenir par une seule action. Il y a beaucoup de plusieurs actions, on en parlera plus tard si vous voulez. Évidemment qu'on va en parler euh, pour savoir quelles sont ces actions qu'on doit mener pour pouvoir donc prévenir euh, ce cancer. nous reviendrons tout à l'heure, docteur Dillet, avec les causes profondes de ces deux types de cancers dont vous venez de parler, le cancer du col de l'utérus et celui du sein. Alors, euh, je me tourne vers la vice-présidente de l'ONG de SOS Cancer. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté euh, de représenter non seulement l'ONG, mais aussi de venir ici en tant que témoin. Alors, comment avez-vous découvert que vous avez été, vous étiez atteint du cancer? Et d'abord, c'était quel type de, cancer euh, Merci, madame. Je suis que j'ai le cancer. Un matin, je me suis réveillée. J'ai senti des douleurs au niveau des seins. J'ai appelé une de mes amies qui est médecin. Euh, je lui ai informé sur la, que j'ai des douleurs au niveau des seins. Elle a contacté un euh, elle a contacté euh, le professeur Yac et après elle m'a pris un rendez-vous avec le professeur Yac. Après. C'était pour vous faire examiner. C'est pour me faire euh, un examen. D'accord. sur les seins. Il m'a examiné, il m'a donné une série d'examens. Et après ces examens-là, il m'a consulté et après les consultations, les examens autres, je contacte, euh, il m'a dit que j'ai le cancer. Il m'a dit d'aller voir docteur Dillet, qui est la présidente de l'ONG. Et c'est elle qui m'a confirmé que j'ai le cancer. Alors tout de suite, quelle a été votre réaction Qu'est-ce que vous avez ressenti quand j'ai appris que j'ai le cancer, c'est la panique totale. J'étais tombée en sanglots. J'étais désespérée. Et là, ça que vous, vous, revivez cet instant. On va donc euh, avancer et revenir à vous. Euh, heureusement qu'aujourd'hui, vous êtes encore là pour en parler et pour donc aider plusieurs femmes, beaucoup de femmes à, à comprendre comment euh, surmonter, comment prévenir cette maladie. Alors, je parlais du cancer des enfants. Donc, je suis avec le docteur Saadatou, pédiatre cancérologue aussi. Eh, dites-nous dans un premier temps comment eh, se manifeste le cancer des enfants ou est-ce que ce même, le cancer des enfants a la même définition que les autres cancers Merci, madame. Je remercie le studio Kalangu d'avoir pensé au cancer des enfants à l'occasion de la journée internationale euh, du cancer. donc, euh, comme l'avait dit le docteur Dillet, le cancer à la même définition, que ce soit chez l'enfant et chez l'adulte. Mais le cancer de l'enfant est différent de celui de l'adulte. Le cancer de l'enfant, il est bien différent de celui de l'adulte parce qu'il euh, connaît une grande variabilité des facteurs. Donc, euh, des facteurs de risque, contrairement au cancer des adultes où il y a une exposition euh, prolongée à des facteurs carcinologiques environnementaux. Chez l'enfant, il y a plusieurs facteurs de risque, tels que les facteurs de risque génétiques, les facteurs infectieux, donc, euh, donc il y a certaines euh, infections par certains virus euh, qui, qui, vont faire en sorte que l'enfant développe le cancer. Donc il se transmet Oui, il se transmet. Après une infection par certains virus, il y a les facteurs génétiques. Il y a certains cancers qui sont embryonnaires. Ah oui. Et il y a les facteurs environnementaux aussi, tout comme chez l'adulte. Alors, docteur, est-ce que vous enregistrez un, nombre important d'enfants qui, sont atteints de cancer ici au Niger. Tout à fait. Nous au jour le jour, nous enregistrons un nombre important, un nombre important d'enfants qui sont atteints du cancer, malheureusement à un stade très avancé. Donc, ça réduit, ça rend difficile le traitement et ça réduit aussi les chances de survie de ces enfants. Alors que le cancer de l'enfant, il est curable. c'est sa différence euh, c'est sa différence par rapport au cancer des adultes. Quand il est pris en charge précocement, le cancer chez l'enfant, il est curable. Alors, on parle de combien, euh, je, parle peut-être par jour si vous avez, ou par semaine, je ne sais pas, du nombre d'enfants que vous pouvez euh, constater qui, qui, ont le cancer On peut estimer par mois euh, un nombre de 10 à 15 enfants par mois qui sont, qui sont orientés vers l'unité de cancérologie pédiatrique. Alors pourquoi euh, ces cancers des enfants sont donc euh, euh, déclarés peut-être à des stades où on ne peut pas guérir de ce cancer On reviendra avec vous pour savoir pourquoi cet état de fait. Docteur Dile Ismouya, donc nous revenons avec, avec vous avec vous pour parler de, je disais tout à l'heure, des causes profondes de, ces deux types de cancers euh, qui concernent les femmes. Donc je vous parlais, comme elle l'a dit, docteur Labo, les cancers en général, en fait, d'abord, il, est vrai que pour les, adultes, la plupart des cancers ne sont pas la plupart des cancers ne sont pas euh, évitables. B, il y a, parce qu'il y a beaucoup de facteurs de risque. C'est-à-dire que ce n'est pas à cause d'une seule chose parfois qu'arrive le cancer. C'est un regroupement de choses, d'événements. Pour l'adulte, il y a les facteurs infectieux également, comme pour euh, le virus du HPV, qui est à l'origine du cancer du col de l'utérus. Le virus HPV, c'est un virus qui attaque le col de l'utérus progressivement et au bout d'un certain nombre d'années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, il va provoquer une lésion précancéreuse qui va se transformer au bout de quelques années encore en cancer. Il y a le virus de l'hépatite B ou C qui est maintenant pratiquement évitable parce que le virus de l'hépatite B entraîne le cancer du foie. Et le cancer du foie, du fait que depuis des années on vaccine les enfants pour l'hépatite B, le cancer du foie va diminuer, en tout cas au Niger, et le vaccin est gratuit. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Pour d'autres maladies comme le VIH également, c'est un facteur infectieux. Le VIH entraîne une immunodépression qui peut entraîner tous les types de cancers également. Alors, euh, Il y a également des facteurs environnementaux. Les facteurs environnementaux, c'est qui notre environnement. Donc, c'est certains, certains produits, certains matériaux que nous respirons dans la nature qui sont classés. Il y en a des centaines, ils sont classés carcinogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent entraîner un cancer. Mais il faut savoir que le principal facteur, le principal qui est reconnu dans presque plus de 80% des cas, c'est le tabac. Le tabac, que vous soyez fumeur ou que vous en les autres, vous expose au risque. Même le cancer du col de l'utérus, vous imaginez une femme, son col de l'utérus est là-bas, loin au fond de son corps, mais si son mari est fumeur, il augmente le risque à cette femme de développer un cancer du col de l'utérus. Euh, alors, le cancer du col euh, de l'utérus euh, est et concrètement, comment est-ce qu'on le contracte On le contacte par, euh, par le, premier rapport sexuel pour une femme. Elle peut être infectée par un virus qu'on appelle le virus du papillome humain. Donc, c'est le virus HPV. Ce virus va entraîner une infection au niveau du col de l'utérus. C'est pas comme les, infections ordinaires où il y a des pertes. Des... Non, non, c'est un virus qui donne une infection qui n'a aucun symptôme. Silencieuse. C'est une maladie silencieuse. Mais lui, il va attaquer le col de l'utérus. L'homme transmet ce virus, bien sûr, mais cette femme, c'est elle qui va avoir des, comme des petites plaies au niveau du col de l'utérus, des plaies invisibles. Hein. Je le dis comme ça, mais elles sont invisibles, elles sont microscopiques. Il va attaquer progressivement une partie précise du col de l'utérus et qui va développer ce qu'on appelle des lésions précancéreuses. Et est-ce qu'elle ressent des douleurs à ce stade Elle ne ressent aucune douleur. Elle ne sait même pas qu'elle a un virus parce que ce n'est pas des infections ordinaires comme les femmes font d'habitude. C'est une, infection qui n'a aucun signe. Et elle va donner donc ce qu'on appelle des lésions précancéreuses qui vont évoluer très lentement, silencieusement, vers ce qu'on appelle le cancer du col de mais la bonne nouvelle ici, c'est que c'est vrai que c'est silencieux, mais c'est un des cancers qu'on peut éviter. C'est pratiquement le seul cancer évitable. Et comment Quel que soit le pays du monde où on se trouve. Pourquoi Parce que cette lésion que le virus entraîne, lésion pré-cancéreuse, donc un stade avant le cancer, elle est détectable par le dépistage. Le dépistage du cancer du col de l'utérus. Un petit examen simple qu'on fait, on prélève des cellules au niveau du col de l'utérus qu'on analyse et on voit que c'est une lésion précancéreuse. On va au niveau du col de l'utérus, on enlève cette lésion. La femme, elle garde son utérus, elle peut faire ses enfants, on enlève la zone précancéreuse et on continue à la, lui faire le dépistage. Et elle ne fera jamais de cancer du col de l'utérus. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, oui. Et avec le cancer euh, du sein, est-ce que c'est pareil Est-ce que ça aussi, c'est un cancer Mais avant, j'ai oublié une question. Est-ce que euh, pour le cancer du col de l'utérus, il y a un vaccin Voilà, donc il y a le dépistage qui est là et le vaccin. Les deux. Les deux associés font que la personne ne fera jamais de cancer du col de l'utérus. Le vaccin, en fait, on le fait à qui Aux jeunes filles, celles qui n'ont jamais été en contact d'abord avec ce virus. Donc, à bas âge À bas âge. À partir de, on a commencé à le faire ici à Niamey. C'était un projet pilote. Je ne sais pas très bien où ils en sont actuellement. Mais c'était des jeunes filles de l'école primaire, 8 ans à 12 ans comme ça. On leur faisait ce vaccin. On se dit qu'à partir de cet âge, aucune fille n'a eu un contact sexuel d'abord. Donc pas de contact sexuel, pas de virus HPV. Donc on lui fait le vaccin et elle est protégée, elle est immunisée contre ce vaccin, contre ce virus. Mais malheureusement, ces, quatre, ces deux types de virus, les plus fréquents, immunisé contre deux plus fréquents, qui sont à l'origine du cancer du col de l'utérus, le 16 et le 18. Mais il y en a d'autres types. C'est voilà, un virus très méchant. Il y en a plein de, a plein de types qui appellent le cancer. Le Mais les deux principaux, c'est les deux. Donc, elle aura donc, pour ces deux virus qui sont les principaux à l'origine du cancer du col de l'utérus, elle est immunisée. Pour les autres, elle aura le dépistage. Donc, c'est pour réduire un peu la chance, euh, pas la chance en tout cas, la chance, d'avoir euh, euh, le cancer du col de l'utérus. D'accord. Donc je disais avec le, cancer du sein, <clears throat> est-ce que c'est la même chose Est-ce que là aussi on a on a peut-être un vaccin ou comment ça se passe avec ce cancer Le cancer du col de euh, du sein, en fait, dans 80% des cas, on n'a aucun des facteurs de risque. On ne sait pas pourquoi il survient. Dans plus de 80% des cas. Et ça, c'est dans le monde entier. On ne sait pas pourquoi il survient. Dans à peu près 5% des cas, ça peut être un facteur génétique. Donc, on a des gènes. <coughs> Des gènes, c'est-à-dire que c'est des anomalies dans nos cellules, à l'origine de nos cellules, dans les gènes, qui vont exprimer, donc, euh, qui vont nous favoriser, qui vont favoriser la formation d'un cancer, l'apparition d'un cancer chez une femme. C'est ça les facteurs génétiques. Mais c'est moins de 5%. Et nous, on n'a pas vraiment d'études scientifiques ici au Niger. C'est dans les données en Europe ou aux États-Unis qu'on a. Donc, le cancer du, du sein, dans la majorité des cas, il n'est pas évitable, on l'a dit. Si c'est un facteur génétique, si c'est une cause non connue, on ne peut pas le prévenir. Mais ce qu'on peut faire, c'est le détecter très tôt. Et plus on le détecte tôt, plus il y a des chances de guérison comme le cancer du col de l'utérus, on va revenir à comment détecter euh, euh, très tôt euh, le cancer de sein. Et on va revenir vers Madame Abba. Et donc je rappelle qu'elle est vice-présidente de SOS Cancer. J'espère que vous êtes remise de vos émotions parce qu'on a envie d'en savoir un peu plus. Est-ce que vous avez ressenti des douleurs Comment s'est passé le traitement, la suite au début, j'ai senti des douleurs au niveau du, du, gauche. Et après, j'ai appelé mon ami qui est médecin. Elle a contacté le professeur Yak. Et après, le professeur Yak m'a consulté. Il m'a dit d'aller voir un docteur Dillet. Elle m'a donné une série d'examens à faire. Après, la confirmation, comment s'est passé le traitement Après la confirmation, je euh, j'ai fait un, traitement à quatre étapes. Voilà. La chirurgie, qui est l'ablation du sein. Je fais la chimiothérapie, qui, euh, euh, qui s'est fait à six étapes. Après la chimiothérapie, je fais la radiothérapie en Tunisie, qui est en 25 séances. Et maintenant, je continue avec euh, tamoxifène par, voie orale. Alors, docteur, ça veut dire que euh, je me tourne vers vous parce que je euh, dans les choses, c'est vous qui l'avez eu, c'est votre patiente. Hein. Ça veut dire que son cancer a été découvert à un stade avancé. Je remercie Rayana tout parce que c'est une c'est un pilier de l'ONG. Ça montre, c'est un pilier parce que ça montre que la solidarité, elle aide. C'est grâce à elle qu'on a pu réaliser énormément de choses et d'avancer. Parce qu'avant, les femmes, elles, elles, ont leur maladie, elles se cachent, elles n'ont pas envie d'en parler. Et une chose, elles surtout, elles n'ont pas vraiment envie d'aider. Mais quelqu'un qui a souffert d'une maladie et qui a, a envie que les autres femmes soient épargnées, ça c'est quelque chose de valorisant, je pense, pour les femmes. C'est un exemple à suivre. Voilà. Et Renato a maintenant plus de 5 ans après le traitement. Vous voyez, ça montre vraiment que c'est de l'espoir. Et par contre, elle a, elle a été découverte à un stade pas, pas si précoce que ça, puisque c'est elle-même qui a senti cette boule dans son sein. Vous voyez et quand même, le traitement prend du temps aujourd'hui. Chaque cancer est différent. Vous pouvez faire, une même personne peut faire le cancer dans un sein puis dans l'autre et ce sera des cancers différents. Deux personnes feront, même s'il y a 1000 personnes qui font le cancer du sein, chacun aura son type de cancer. Cela, cela, cela veut dire quoi Qu'il y a des cancers qui sont plus méchants que d'autres. Plus méchants, je le dis, sur le plan biologique, sur le plan des cellules, des cellules qui sont plus méchantes que d'autres. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Certains vont répondre très bien à certains traitements, d'autres vont répondre moins bien. c'est la même chose pour tous les cancers. C'est pour ça que chaque cancer est différent. C'est pour ça que toute personne qui a un cancer ne peut pas donner son exemple. Elle peut donner son exemple de volonté à lutter, oui. Parce que dans le cancer, quand on a la volonté de lutter, ça compte beaucoup. Le, cancer le traitement du cancer du sein se fait de tel, de comme elle l'a dit, en quatre étapes. On commence par la chirurgie d'abord du moment qu'on a diagnostiqué le cancer, on commence par la chirurgie. Quand on l'a diagnostiqué très tôt, sans que la personne l'ait senti elle-même, ça, c'est le dépistage. Le dépistage, ça se fait par une seule manière généralement, c'est la mammographie. C'est la mammographie, c'est une radiographie des deux seins qui va montrer des anomalies sur la radio que seul le radiologue va voir. La personne ne sent rien dans son sein, n'a pas de douleur, n'a rien. Mais la radiographie des seins va montrer des images que le spécialiste va analyser et va dire non, ces images me font penser à une anomalie qui pourrait être un cancer maintenant ou dans quelques années. Et nous, on va aller enlever cette partie seulement au niveau du sein, pas le sein, cette partie. Et cette partie, on va l'analyser. On l'amène au spécialiste également, l'anapathe, qui va lire les cellules sur son microscope et va nous dire, ah, ça, ça aurait pu être un cancer dans 10 ans ou dans 5 ans, ou bien c'est déjà un début de cancer. Et cette personne-là, donc si on a enlevé cette partie, elle est guérie. Mais quand la personne vient au stade où c'est déjà un cancer, elle a déjà senti cette boule dans son sein, mhm. qu'est-ce qui se passe On va l'opérer. Si c'est nécessaire, on enlève tout le sein, sinon on peut enlever encore une partie du sein et des ganglions qui sont dans, le, dans les selles, dans, le, dans les selles. Quand on enlève les ganglions et le sein, donc on se dit qu'on a enlevé la maladie qui est là. Mais les cellules cancéreuses, elles sont là. On ne les voit pas, elles sont microscopiques. Elles vont aller dans le sang pour aller dans d'autres organes et ce que je vous ai dit, faire une cancer, un cancer généralisé. C'est pour ça qu'on doit avoir recours à la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est quand on met des produits dans les veines, dans le sérum et dans des veines, les veines qui, vont aller qui sont dans le sang, où il y a le sang dedans. Et c'est justement ces produits-là qui vont tuer toutes les cellules cancéreuses qui sont parties se retrouver dans un autre organe. Pour que dans 5 ans, 10 ans, cette personne ne vienne pas dire Ah, j'ai quelque chose au niveau du foie ou au niveau du poumon. C'est les cellules qui sont parties se cacher là-bas et que la chimiothérapie, dont je n'ai pas bénéficié, n'a pas pu traiter. Parce qu'elle, elle a eu de la chance. Ce que beaucoup de femmes n'ont pas comme chance, et c'est pour ça que j'appelle la solidarité des gens. la troisième chimiothérapie. La deuxième étape, c'est la mhm. chimiothérapie. Mhm. C'est très cher. Elle va vous en parler également, docteur Labou. C'est très cher. parfois, c'est de 50 000 à 100 000 francs. Parfois, le traitement peut revenir même à 300 000 francs, six fois. 6 à huit fois, imaginez. Donc, est-ce que le commun des Nigériens peut se payer ça Ça, c'est une question. Ceux qui ne peuvent pas se payer, mhm. c'est très difficile. Au début, il y a cinq ans, maintenant encore les produits sont là. Il y a cinq ans, on se battait non seulement pour le prix, mais également pour l'accessibilité. Parce que quand on l'achète, on l'achète, aujourd'hui, on doit le faire dans 21 jours, on nous dit qu'il n'y en a plus en pharmacie. Alors, donc, un, traitement inaccessible. Et, docteur, nous n'avons pas encore terminé. Nous, avons euh, quelques minutes encore avec nous. Et donc, docteur, euh, euh, docteur Asmaou, Sadatou, pardon. Nous sommes avec vous pour parler du cancer euh, des enfants. Alors, euh, tout à l'heure, vous disiez que c'était, vous avez constaté lors de vos consultations que les enfants arrivaient euh, avec des cancers à un stade vraiment compliqué. pourquoi Et expliquez-nous comment ça se passe pour ces enfants et le traitement de, ces enfants est-il aussi pénible et coûteux comme celui des grandes personnes oui, ces enfants nous arrivent à un stade très avancé euh, parce que c'est des enfants qui sont dans des régions très reculées. D'abord, l'orientation pose problème. depuis là-bas, ils errent avant d'arriver euh, ou bien les parents font d'abord un traitement traditionnel parce que le cancer chez l'enfant, c'est quelque chose qui est ignoré dans notre contexte. Vraiment, le cancer de l'enfant est très peu connu au Niger. Donc nous nous battons pour faire connaître que le cancer existe chez l'enfant autant bien que chez l'adulte. Donc, euh, c'est ce qui fait en sorte que le cancer est négligé chez l'enfant parce qu'on n'en pense même pas. Donc, euh, on va faire autre traitement et c'est quand ça va avancer, donc on va voir que c'est vraiment. Alors, à partir de quel signe un enfant, un parent peut vraiment euh, commencer à s'inquiéter, se dire je dois rapidement me rendre à l'hôpital Bon, il y a plusieurs, il y a plusieurs signes qui peuvent faire évoquer un cancer, mais généralement, c'est un enfant qui présente tout de suite un changement de comportement, un changement de comportement avec euh, une fatigue générale, des, des, pleurs incessants, une pâleur. Tu vas constater que l'enfant est pâle, souvent il présente des adénopathies, des boules ou bien une masse abdominale. Ça, là, doit faire inquiéter les parents et à, à faire concerter l'enfant très tôt. Alors, euh, quand l'enfant est atteint, le, traitement est aussi coûteux Le traitement est vraiment coûteux. Le <laughs> docteur Delier vient de vous le dire, c'est un traitement coûteux et difficile à mettre en route dans notre contexte. C'est des traitements longs, très coûteux et c'est surtout des, des enfants ici, des familles à bas niveau socio-économique qui sont frappés par ces fléaux. Et qu'est-ce qui explique cela Ce qui explique cela, c'est des conditions de vie défavorables qui peuvent expliquer cela. l'accès aux, soins aussi pose problème. Parce que quand vous constatez les enfants qui font le cancer, ce sont des enfants qui n'ont pas bénéficié des vaccinations. Alors donc, est-ce qu'il n'y a pas une prise en charge euh, Et c'est des enfants qui viennent dans les coins les plus reculés de la ville, et vie, du, pays. Mais il n'y a pas de prise en charge pour ces enfants, rien s'il y a, y a, des prises en charge, Dieu merci, pour les enfants, euh, l'unité de cancérologie pédiatrique de l'hôpital national de Niamey a un an d'existence maintenant. Nous sommes appuyés par un organisme, le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique, qui est une association médicale d'intérêt général, donc qui a pour mission principale de former des pédiatres euh, des pédiatres, pour, des pédiatres et des infirmiers afin d'assurer la prise en charge du cancer de l'enfant. Et c'est ce même organisme qui nous donne les anticancéreux gratuitement. Les anticancéreux au niveau euh, de l'unité des enfants, c'est gratuit. Docteur euh, Dillet, nous allons poursuivre pour parler donc du traitement. Vous étiez en train de parler de ce traitement qui est coûteux, inaccessible. Euh, dites-nous donc pour terminer, euh, nous avons encore quelques minutes, comment euh, une personne, par exemple, aujourd'hui, il y a des associations, l'OSOS e, Cancer par exemple, des femmes peut-être qui vont vite se, faire dépister, qui, découvrent qu'elles ont le cancer, elles sont à un stade avancé. S'il n'y a pas de moyen, comment faire et le cancer, c'est quelque chose qui dépasse l'action d'une ONG, surtout une ONG nationale, même internationale. C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. J'allais en venir. Parce qu'il y a une chose. Il y a une chose. Depuis 2005, il y a une loi qui a été votée pour dire que la prise en charge des cancers gynécologiques et mammaires, donc des cancers de la femme, qui est le principal cancer au Niger, ils sont les principaux cancers au Niger, est gratuite dans les structures publiques de santé. Ça, c'est une loi qui a été votée à l'Assemblée. Cette loi, elle est plus ou moins appliquée. Je dis plus ou moins parce que c'est l'État, on le sait. L'État doit payer les, institutions publiques, dispensent le soin, donc les examens, les bilans et tout ça. Ils donnent ça gratuitement aux patients, mais l'État doit rembourser ça. Parce que si on ne rembourse pas, il n'y a pas d'argent pour acheter les réactifs, pour refaire d'autres examens, n'est-ce pas Donc, mais il y a un problème, sûrement les administrateurs des hôpitaux le disent souvent l'État n'arrive pas à les rembourser régulièrement. Pour les médicaments, ils doivent être gratuits également. Malheureusement, l'État n'arrive pas à le faire faire gratuitement. Il y a juste au niveau de la maternité Gazobi où ils font de leur mieux pour payer les médicaments pour ces femmes-là. Mais nous, par exemple, dans certaines, comme à l'hôpital national ou dans les autres hôpitaux, n'est pas gratuit. Vous voyez. Donc, ça, c'est pour le traitement. Maintenant, il y a ce qui est accessible au Niger, je vous dis. L'un des principaux traitements par exemple, du cancer du col de l'utérus. Parce que quand on va opérer une patiente pour le cancer du sein, elle vous a dit tout à l'heure qu'il y avait quatre étapes du traitement. J'ai parlé des deux premières étapes. Les deux dernières étapes, c'est la radiothérapie d'abord. La cellule cancéreuse n'est pas visible à l'œil nu. Et une seule cellule qui reste sur la peau va se multiplier pour former des milliards de cellules qui vont donner une nouvelle tumeur sur la peau. Pour le col de l'utérus, c'est pareil. Le col de l'utérus, quand c'est découvert au stade de cancer, il n'y a pas d'autre traitement que la radiothérapie et la chimiothérapie. La chirurgie ne servira à rien. Quand on arrive à un, stade, vous dites, on dit, on qu'on a quatre stades. Regardez, même au, stade 1, je dis qu'il y a quatre stades, hein, par exemple pour le cancer du col. Imaginez-vous qu'au stade 1, qui est déjà à 1, il y a A et B. Au stade 1B, quand on n'a pas de radiothérapie, on ne peut pas guérir le cancer du col de l'utérus. Et la radiothérapie, nous ne l'avons pas au Niger. C'est ça le drame. Ça fait plus de presque dix ans que le centre a été coaché par l'AIEA, l'Agence de l'énergie atomique et nucléaire mondiale, pour pouvoir créer ce centre-là, à côté de la maternité Gazobi. On a dégagé le dispensaire central, on devait construire ce centre-là. Ce centre a été construit, repeint X fois, mais on attend toujours la radiothérapie. Donc ça, c'est un gros problème. Parce que la radiothérapie, quand elle n'est pas dans un pays, on ne peut pas dire qu'on traite le cancer. On ne peut pas dire qu'on lutte contre le cancer dans un pays. Madame Abba parlait d'être allée en Tunisie. Elle a été obligée d'aller en Tunisie. On a fait un dossier d'évacuation sanitaire. S'il y a 1000 dossiers d'évacuation sanitaire au Niger, il y aura peut-être 10 qui vont passer. Parce que l'État, avec toute sa bonne volonté, ne peut pas payer 5 à 10 millions par personne, vous le savez très bien. L'État ne peut pas. L'État, on a pu envoyer beaucoup de patientes, mais c'est insuffisant parce que les gens qui n'ont pas pu avoir accès, la tumeur est revenue et ces gens sont décédés. Docteur, ça veut dire donc à travers ce que vous dites euh, qu'il y a deux choses ici. Non seulement euh, une femme qui qui a atteint de cancer à un stade avancé, peut facilement mourir. N'a aucune chance de vivre, je dis N'a aucune chance de vivre. Mm. Et avec le traitement qui est aussi coûteux, on peut donc euh, peut-être guérir du cancer, mais c'est un traitement qui, est très long. C'est un traitement qui est long, mais vous avez vu que quand on le suit en entier et qu'on arrive à le respecter, il y a l'espoir de vivre. Parce qu'il y a des patients qui ont 5 ans, 10 ans après le cancer et ils n'ont aucun problème. Parce qu'ils ont pu faire toutes les étapes du, cancer, du traitement du cancer. Malheureusement, une des étapes fondamentales est absente au Niger. Il faut aller à l'étranger. Et une des autres est assez chère. Il faut la payer de sa poche. Des gens ont dû sacrifier, se sacrifier, eux et toute leur famille, pour payer la chimiothérapie de leurs patients. Vous voyez, ça a l'air de rien. Mais quand nous, on le vit, parce que nous, on le vit, une patiente qui vient nous dire après deux cures, parce qu'elle doit en faire six, après deux, docteur, je n'ai rien pour acheter. On essaie avec l'ONG de contacter des certains pharmaciens, notamment la pharmacie Assalam que je remercie infiniment parce qu'elle elle nous a payé plusieurs cures de plusieurs patientes et patients, même des enfants, on a dû. Mais une, pharmacie ne peut pas faire ce qu'un État doit faire. Donc ça, je vous le dis, c'est important. Le traitement, les deux traitements essentiels du pilier du traitement des cancers, sont difficiles au Niger. Un est inaccessible, l'autre est excessivement cher. Et docteur, la quatrième étape, pardon, j'allais dire après euh, donc la troisième, quelle est la quatrième étape? C'est l'hormonothérapie. Ça, c'est des traitements en comprimé que la personne, si c'est le cancer du sein, la femme doit les boire un comprimé, par jour pendant cinq ans. imaginez comment c'est prenant. La boîte coûtait 10 000 francs par mois. Imaginez 10 000 francs par mois pendant cinq ans dans la poche de quelqu'un ce que ça fait. Alors, alors Madame Abba, euh, dites-nous à quel stade vous êtes. Comment est-ce que vous avez vécu euh, votre situation avec votre entourage euh, Merci. Alhamdulillah, avec mon entourage, j'ai eu beaucoup de soutien. Le soutien de mon épouse, votre mari, votre époux de mon époux. Hum. De mes parents, toute ma famille, mes amis, les médecins qui m'ont traité. Vraiment, je les remercie. Surtout mon mari. Et, là, et là, vous vous sentez, euh, je veux dire, euh, normal. Euh, vous n'avez pas quelque part un complexe, non On à fait des contrôles régulièrement. D'accord. Contrôles de des, des radios. Et tout va très bien. Donc, c'est ça aussi le cancer du sein. On doit être suivi pendant quelques années mhm. pour être sûr que la maladie ne revient pas quelque part. D'accord. Donc, euh, euh, nous allons terminer avec euh, notre pédiatre. Est-ce que vous avez des détails que vous aurez peut-être oubliés sur cette maladie, ce cancer qui concerne les enfants par rapport au traitement et par rapport aussi à la prévention donc, euh, par rapport à la prévention, c'est le dépistage, les diagnostics précoces. Donc, c'est pourquoi il est important de connaître euh, les facteurs étiologiques. À quel, âge on peut déjà aller euh, commencer à faire ces dépistages pour un enfant Dès les premiers symptômes. Dès les premiers symptômes, on doit faire consulter l'enfant afin de pouvoir détecter très tôt la maladie et mettre en route le traitement là on est sûr de guérir. Mais quand la maladie atteint un stade vraiment avancé, c'est pas facile. C'est ce que nous vivons actuellement. Alors, on pense qu'avec le temps, les gens vont connaître l'existence euh, euh, de l'unité, orienter les enfants très précocement. Et la sensibilisation aussi, nous lançons un, un appel à l'endroit des autorités compétentes et de toutes les bonnes volontés de nous aider mhm. à organiser une vaste campagne de sensibilisation qui va permettre de dépister très tôt les cancers chez l'enfant. Alors, docteur euh, Saadatou, est-ce que on, peut par exemple ne pas attendre, euh, je veux dire, les, les premiers symptômes euh, chez un enfant pour peut-être euh, dès sa naissance ou bien à un âge, je sais pas, je <laughs> je suis pas docteur, mais pour faire des analyses et au fur et à mesure peut-être euh, inciter les parents à faire quand même des examens comme ça pour les enfants. Mais oui, ça, ça existait chez les enfants normaux qui ne sont pas malades, c'est ce qu'on appelle les consultations nourrissons. C'est pourquoi il est important de respecter ces consultations. À chaque fois qu'il y a un rendez-vous, aller faire consulter l'enfant. Donc, euh, au cours de cette consultation, euh, le consultant peut détecter quelque chose d'anormal et vous orienter dans un centre spécialisé et qui va permettre de, poser les diagnostics et commencer un traitement très tôt. Docteur Dillet, on parlait, je reviens un peu sur le cancer du sein. Avant d'aller à l'hôpital, euh, j'ai entendu dire par certaines femmes, on a aussi vu des, des certains, certains vidéos circuler sur le net où une femme peut elle-même à la maison euh, pratiquer certains attouchements au niveau du sein pour pouvoir euh, euh, constater une anomalie. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est fiable et comment ça se fait donc c'est vrai, le, c'est le dépistage, ça s'appelle le dépistage du cancer du sein. Le dépistage du cancer du sein, il y a trois moyens. Le moyen, le meilleur, le plus sûr, c'est la mammographie, c'est une radiographie des seins donc, il va détecter ce que je vous ai dit, une anomalie qu'on voit qu'à la radio. Donc, le deuxième moyen, les trois associés, ça fait beaucoup de chances, plus de chances de survie. Donc, la radio des seins, l'examen du médecin. Une fois par an, une femme doit aller consulter un médecin spécialiste qui va examiner ses seins. Et quand il va examiner, il va sentir une toute petite boule que la femme même ne sentira pas. Le troisième moyen, c'est elle-même, une fois par mois, à une date précise. Pour les femmes, après les règles, c'est le bon moment. Quand les seins ne sont pas lourds, elle-même, elle touche ses seins. Partie par partie, chaque sein, elle l'examine elle-même. Et comme elle a ça, elle permet d'apprendre à connaître elle-même son sein. Docteur, quand vous dites partie par, partie, elle divise le sein en, quatre, c'est ça, avec trois doigts Oui, avec, non pas trois doigts, avec toute la main. D'accord. La main et le plat de la main. La main à plat et elle palpe, elle, elle refoule. C'est comme si elle écrasait son sein elle-même contre ses côtes. Ça ne fait pas très mal, c'est après les règles. Quand elle les écrase, s'il y a une boule, elle va buter sur sa main, elle la sentira. Et aussi dans les selles, il faut toujours palper dans les selles aussi. Parce que dans les selles, il peut y avoir une boule avant même qu'elle sente dans le sein. Parfois, il y a des cancers qui se manifestent par une boule dans les selles. Donc, quand elle fait ça une fois par mois, une fois par an, elle va chez le médecin qui va demander une radio des deux seins, peut-être tous les deux ans à partir de l'âge de 45 ans, cette femme peut-être fera sûrement même, fera un cancer, peut-être, même si elle fait un cancer du sein, ce sera un cancer détecté très tôt, avec beaucoup de chances de guérison. Ça, il faut le dire. C'est le dépistage. Et c'est pour ça qu'on dit, il faut que les gens arrivent à ça aussi bien pour le col, le sein et les autres cancers, ceux de l'enfant et tout le monde. Vous avez le micro, profitez pour dire un dernier mot. et le dernier mot que j'ai fait, que j'ai à dire, comme elle l'a dit, docteur Sadatou il faut que les gens amènent les enfants consulter. Il faut qu'ils les amènent faire des vaccinations. Il faut surtout que les gens soient formés. Parce qu'il y a une chose, nous, cette année, le 4 février, c'était la journée mondiale de lutte contre le cancer. Nous, SOS Cancer, nous mettons en avant la formation. Parce que si vous allez consulter quelqu'un qui n'a pas de connaissances, vous sortirez avec votre cancer et vous repartirez à la maison avec votre cancer et il va grandir, il va grandir jusqu'à ce que vous, vous ne pourrez plus marcher, donc la formation, nous cette année, nous allons axer toute notre énergie pour former le personnel de santé. Alors, Madame Abba, oui, vous avez un dernier mot à ajouter avant la fin de cette émission. mon dernier mot, c'est d'appeler toutes les femmes du Niger de ne pas attendre de faire, de faire au moins un dépistage une seule fois dans leur vie. Ça va aider à, détecter, très tôt. le cancer et ça va diminuer le taux de mortalité euh, pour les femmes sur le cancer. Merci Madame Abba. On termine donc avec le euh, Docteur Saadatou. Oui, allez Pour le cancer du col de l'utérus, le dépistage se fait gratuitement au centre de santé de la reproduction de Poudrière du lundi au vendredi et il est gratuit. Donc ça, j'appelle les femmes à partir. Alors vous l'avez entendu Nous l'avons entendu. <laughs> Allez-y, docteur. Rapidement, vous n'avez plus rien à ajouter mon, dernier mot, c'est de lancer un cri de cas. Je viens de dire que nous sommes appuyés par un organisme. Il ne fournit pas tous les anticancérés. Il nous donne quelques-uns. Les parents achètent le complément du traitement. Il y a tous les bilans qui écoutent. Donc, nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés de venir en aide à ces enfants souffrant de cancer. Alors merci beaucoup fidèles auditeurs, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que j'étais en compagnie du docteur Dile Ismouya cancérologue, président de SOS Cancer, du docteur Labo Saadatou, pédiatre, cancérologue aussi et de Madame Abba Rahanatu, vice-présidente de SOS Cancer. Elle était témoin parce qu'elle a été victime, elle est victime aussi du cancer. Merci. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.